venu ici quand même pour euh, faire une participation euh, au niveau de la mairie, mais au niveau du Bambilor, parce que quand même on considère que nous, on est de Bambilor, on n'est pas des, des, des, invités à Bambilor, on fait partie de la famille de Bambilor. En tant que Telium Bon, qui était une société de référence au niveau de l'immobilier, mais quand même au niveau de l'immobilier de luxe. Donc euh, Bambilor était en fait la première, notre première expérience dans le domaine social. Et dans ce domaine-là, on a essayé euh, sur nos en fait, euh, connaissances dans l'immobilier, au niveau euh, dans l'immobilier de luxe, de l'amener au niveau social. Et aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu pour faire des dons, aider la population, parce que aussi le cadre de vie est l'élément le plus essentiel de la vie pour permettre à, même si vous réalisez de belles villas et que le cadre de vie n'est pas adéquat, donc ces belles villas là n'auront pas de sens japp nañ né dal citoyen bambilor à part entière ngeen eh, dañ leen di ñaanal dal yalla na yalla defal leen jamm bu baaxa baaxa baax contane nañu bu ñu xamoon lu ëpp jëre jëf nañ leen ko wax ndax li ngeen mu ko defal li ngeen ñu defal rëy lool ku def lu rëy nag am lu rëy kon yalla mi joxe lu reey yalla leen ki yalla jox contane nañu di gërëm monsieur le maire ndax it eh, li ngeen ko defal it bu fekkoon li rek mo fi jitu dinañ am problème mais fekk ngeen ko muy def nous disons encore merci de ce que vous venez de faire compte tenu d'une situation que toute personne tout Sénégalais est en train de vivre je veux dire la pandémie qui est en train de ravager ce monde mais je pense qu'aujourd'hui vous nous avez donné des outils qui nous permettent de venir en aide à nos populations pour accéder à leurs besoins. C'est pour cela que vous avez garé un camion plein de alimentaires, de produits, de masques, pour que cette pandémie ne puisse pas vraiment gagner la commune de Bambelor. Et aujourd'hui, vous êtes une référence, une référence des sociétés qui vivent dans cette collectivité territoriale. Vous avez pris votre RSE pour construire ces deux salles de classe et clôturer. Aujourd'hui, voilà encore la pandémie. Vous êtes venu encore nous soutenir. Nous vous disons merci. Et nous disons, Télio, merci, merci encore.